L'arbre, en fait, c'est l'espèce qu'on appelle Acacia radiana. L'arbre du Ténéré a été renversé en 1973 par euh, un camion euh, libyen transporté euh, au musée national le 8 novembre 1973 par les forces armées nigériennes. C'est pour cela qu'on l'a amené ici, pour immortaliser donc l'arbre. Et combien de temps a vécu cet arbre Pour la plupart des sources que nous avons eu à consulter, l'arbre devait avoir 300 ans. Ça faisait longtemps, les gens se demandaient comment cet arbre a pu vivre dans un grand désert comme ça. Parce que, en fait, si on regarde bien, jusqu'à environ 400 km des rayons, il n'y avait aucun arbre à côté de celui-là. Et le mystère a été découvert surtout en 1938, euh, où quand on avait foré le puits qui est à côté juste de l'arbre. Parce qu'au moment où on avait foré le puits, on a remarqué que l'arbre s'alimentait à travers la nappe phréatique située à environ 36 mètres de profondeur. Qui a creusé le puits d'Achougour, dit puits de l'espoir et en quelle année Ce puits a été creusé en 1938, plus précisément en hiver 1938, et c'était dans la période coloniale ce sont les militaires français qui ont euh, creusé ce puits pour faciliter le transit dans la région. Alors, à ce jour, qu'est-ce qu'il y a à l'emplacement de cet arbre Oui, à l'emplacement de l'arbre du Ténéré dans le désert actuellement, il y a une structure euh, métallique représentant donc euh, l'arbre qui a été planté depuis 1974, un an après son déracinement. En fait, l'importance de l'arbre du Ténéré, c'est que ça sert de repère. Vous savez, dans le désert, si vous êtes en véhicule ou bien à dos de chameau, c'était le passage obligé. C'était l'unique repère. Ceux qui faisaient le commerce caravanier, ceux qui faisaient le rallye et même les militaires pendant la coloniale, donc les militaires euh, français dans le cadre du transit, donc dans la région, utilisaient cet arbre comme repère. Euh, parce que en fait, on dit beaucoup de, choses sur cet arbre. L'important, c'est ce que ça sert de repère. L'arbre métallique qu'on a placé là-bas ne peut pas jouer le rôle de l'arbre. Euh, l'arbre de Ténéré, par exemple, quand on se perd dans le désert et qu'on arrive au niveau de l'arbre de Ténéré, on s'arrête pour attendre les secours parce qu'on sait que d'un moment à un autre, quelqu'un va passer. Parce que c'est un passage obligé. Et là, il y a l'ombre où on peut s'asseoir. Il y a également le puits qu'on a au forêt pour que celui qui arrive là-bas puisse s'approvisionner en eau. Mais malheureusement, moi je dis que c'est une grande perte euh, pour notre pays. Pourquoi les les techniciens en la matière n'ont pas pu replanter une autre espèce d'acacia à cet endroit au lieu de faire une sculpture médaille. À un moment donné, on a essayé de replanter plusieurs autres euh, arbres, mais ça n'a jamais réussi. Parce que, en fait, cet arbre a pu vaincre euh, les intempéries de la nature. Et parce que l'arbre s'alimentait à travers la nappe phréatique située à environ 36 mètres de profondeur.